Messieurs, dames, euh, bonsoir. Il est 18h passé de 15 minutes. Euh, chers auditeurs, euh, bonsoir et merci de rester à notre compagnie pour le forum de Studio Kalangou dans une présentation de Raylat Soumana. Le forum est un rendez-vous quotidien dans le respect mutuel au cours duquel nous faisons appel à des personnes ressources pour apporter des réponses aux questions d'actualité ou de société que vous posez quotidiennement. Les programmes de Studio Kalangu sont relayés au Niger par 34 radios partenaires implantés sur l'ensemble du pays. Aujourd'hui, nous parlerons de la beauté par les produits cosmétiques et les l'art de la transformation, que les femmes appellent communément make-up qui signifie maquillage tout simplement. Le maquillage est défini comme l'utilisation de produits cosmétiques pour l'embellissement du visage par la peau pour masquer certaines imperfections et modifier l'état du visage et du corps. Pour parler de la thématique, euh, je suis ce soir dans ce studio avec euh, Leila Ibrahim Kakali qui est esthéticienne. Bonsoir Leila. Bonsoir. Euh, merci à vous de nous avoir honorés de votre présence. Merci de rester à notre compagnie pour suivre la suite de nos programmes. Comme je l'annonçais, le make-up est un phénomène qui fait fureur dans les grandes villes du Niger, notamment ici à Niamey, où le maquillage est surtout pratiqué par les femmes pour les cérémonies de mariage ou de baptême. Mais depuis l'avènement du make-up, elles sont nombreuses, celles qui se font maquiller ou se maquillent elles-mêmes au quotidien. Donc, euh, bonsoir Leila. Vous êtes euh, esthéticienne. Euh, veuillez nous présenter ce que vous faites euh, dans la vie. Je me présente. Je suis Leila Ibrahim Kakali, étudiante en année de master à l'SKE, je suis également maquilleuse, esthéticienne si je peux le dire. D'accord. Ici à Niamey Ici à Niamey, au quartier Pierre. D'accord. Dites-nous à quoi consiste euh, votre métier d'esthéticienne, de maquilleuse. Ok. Mon métier d'esthéticienne, de maquilleuse consiste à embellir les femmes, à rendre belles les femmes. En fait, c'est un salon de beauté. Nous offrons des services comme le maquillage, le henné, les coiffures, les pédicures, manicures, etc. Donc, euh, à, toutes les catégories de femmes, je ne sais pas, de plus petites. Euh. Oui, les femmes mariées, les jeunes filles. Ok, donc euh, dites-nous qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser au métier de maquillage En fait, dès mon bas âge, j'aimais l'esthétique. Je, je, maquillais mes amis à la maison, je les coiffais également, je tressais. C'était une passion pour moi au début. Je le faisais avec mes amis à la maison, mes parents n'aimaient pas du tout mais je m'amusais à le faire. Avec le temps, sur Internet, j'ai découvert le make-up. Et c'est parti comme ça. Et donc, euh, vous n'avez pas fréquenté d'établissement d'esthétique ou quoi que ce soit Non, je n'ai jamais fréquenté un établissement d'esthétique. Je l'ai appris sur le net en fait, avec les vidéos, les images et donc, euh, dans vos projets, vous n'avez pas un projet pour euh, vous approfondir euh, dans le domaine, pour vous perfectionner Si, j'ai un projet pour m'approfondir dans le domaine. Vous avez dit que vous faites les tresses, les hennées et autres. Donc, c'est lequel qui, qui, domine le plus dans votre salon de beauté Le maquillage et les hennées. Mhm. C'est ça qui domine le plus dans le salon. D'accord. Et où est-ce que vous êtes implanté Vous avez un endroit spécifique où on peut vous retrouver eh Oui, nous sommes au quartier Bobiel, non loin de la station Total Bobiel. Mhm. C'est un salon C'est un salon de beauté. D'accord. Donc, et comment est-ce qu'on peut accéder à vos services Nous avons une page Facebook du nom de Kakal et Makeup. Nous avons deux numéros à la disposition de nos clients. Ils peuvent appeler à tout moment Oui, ils peuvent appeler à tout moment. Donc, comment euh, est-ce qu'il faut faire euh, C'est sur euh, rendez-vous uniquement ou bien on peut se rendre sur place et puis faire on peut se rendre sur place et peut faire. En fait, ça dépend de la disponibilité, de notre disponibilité. Mhm. Le make-up, ça se fait normalement sur rendez-vous. Mhm. Le henné également. Mais pour les coiffures et autres, là, nous sommes disponible à tout moment pour les faire. Le délai de rendez-vous, c'est combien de temps Je sais pas. Euh, en fait, ça dépend. Il y a d'autres qui prennent rendez-vous le même jour. Mhm. D'autres prennent rendez-vous une semaine avant, deux semaines avant ou un mois même avant. Mhm. Vous travaillez seul Non, j'ai deux apprentis, mhm. deux employés. Des femmes Des femmes. Ok. Donc, euh, qui et qui fréquente le plus euh, votre salon de beauté si je peux le dire, les jeunes filles et les dames mariées. Il y a d'autres hommes aussi qui viennent pour faire les cœur, mais nous n'accueillons pas d'hommes dans le salon. Donc, euh, ils s'en vont. <laughs> Ils s'en vont. Mais pourquoi vous ne le faites pas En fait, la plupart des femmes qui viennent, elles sont mariées et elles n'aimeraient pas avoir la présence d'autres hommes dans le salon. Mhm. D'accord, <laughs> ok, bon. Dans le fond, le make-up est fait pour masquer les imperfections du visage et être plus belle encore. Mais souvent, la, personne euh, devient presque méconnaissable, complètement métamorphosée avec de nouveaux traits de visage. bon, sur les réseaux sociaux, on voit certaines femmes hein, le visage tout blanc. <laughs> Euh, l'État ne concorde pas avec euh, le reste du corps, comment ça se fait Comment est-ce que vous prenez pour euh, transformer la personne En fait, si je peux le dire, en matière de maquillage, si je peux le dire, il ne faut pas trop exagérer. Et ça dépend du genre de maquillage que vous allez faire à la personne. Que ça soit un maquillage simple, un maquillage avec contouring ou un maquillage avec highlighting. Donc, il faut nous expliquer ces trois concepts Le maquillage simple consiste à tracer les sourcils, mettre du fard, un peu de fond de teint de poudre et les glosses rouges à lèvres. Et pour le maquillage avec contouring, là, il s'agit de masquer les cernes, de faire un peu du contour au niveau du visage, mais là aussi, il ne faut pas trop exagérer parce qu'en fait, ça dépend, comment dirais-je même, du teint de la personne. Pour le maquillage avec lining, là, il suffit de, je dirais, de mettre un accent sur les bronzers et autres. Et là aussi, il ne faut pas trop exagérer parce que la personne risque de donner à la fin. Vous n'avez pas l'impression que c'est la même personne. Donc, ceux qui, sont métamorphosés, là, c'est qu'ils ont un peu exagéré. Ah oui. Donc, parmi ces trois, c'est lequel euh, que les gens préfèrent le plus Le maquillage simple et des fois avec contouring, quand il s'agit des jeunes mariés. Et le dernier cas Là, on le fait, mais en fait, on le fait sans qu'on le remarque. Mhm. Ok souvent on remarque que euh, le maquillage de la personne est assorti à son habillement. Comment est-ce que ça se fait euh, ça dépend. En fait, d'autres, quand elles viennent se maquiller au salon, elles s'habillent avant de venir se maquiller au salon. D'autres pas. Et en fait, ça dépend des maquillages que vous voulez. D'autres veulent qu'on leur fasse un maquillage qui va avec l'accoutrement. D'autres ne veulent pas un maquillage qui va avec l'accoutrement. En fait, ça dépend aussi de l'endroit où l'on se rend. Ça dépend de l'événement. Il y a un maquillage jour, il y a un maquillage nuit. Mhm. Et qu'est-ce qui fait la différence de ces deux <laughs> maquillages En fait, pour le maquillage jour, il ne faut pas trop mettre l'accent sur le fond de teint, les poudres, parce que dès qu'on aperçoit la personne, on a l'impression qu'elle en a mis du trop. Mhm. Et pour le maquillage nuit, là aussi, il ne faut pas trop exagérer, mais il faut que ça dépasse un peu le maquillage du jour. Parce que là, c'est la nuit, on aura un peu du mal à voir la personne, mhm. clairement. Mhm. Et donc, euh, pour euh, vos prestations, est-ce qu'il faut toujours euh, sur place ou bien vous pouvez vous déplacer nous, nous offrons des prestations à domicile. Là, il s'agit aussi de prendre un rendez-vous. Mhm. Mais la plupart des temps, il s'agit de, des femmes qui ont accouché, qui ont un baptême, ou des jeunes mariés qui ne peuvent pas se déplacer, mhm. ou des dames qui non plus ne peuvent pas se déplacer, elles préfèrent qu'on les trouve à la maison. D'accord. Et donc, euh, pour venir au, cours coût de ces prestations, combien peut-on penser dépenser pour euh, ces trois différents maquillages pour un maquillage simple, nous faisons le maquillage simple à, à 6 000. Le, sur place Oui, sur place. à domicile, nous le faisons à 15 000. Mhm. Pour le maquillage avec contouring, nous le faisons entre 10 000 et 15 000. À domicile, on le fait à 25 000. Mhm. Le maquillage avec heightlining, contouring, heightlining, nous le faisons à 20 000. À domicile, nous le faisons à 35 000, y compris l'attaché de foulard. D'accord. Et donc ce maquillage-là, c'est du waterproof, c'est-à-dire qu'il résiste à l'eau ou bien c'est du simple maquillage Pour le moment, nous, nous ne pouvons pas dire que c'est du waterproof, mais quand même, le maquillage, ça tient toute une journée. Il existe euh, des produits cosmétiques euh, qui sont connus, des marques connues, soumis à des contrôles dermatologiques euh, dans des laboratoires. Il y a aussi ce qu'on trouve sur les marchés, des bas de gamme ou bien des contrefaits. Comment est-ce que vous choisissez vos produits pour votre salon de beauté en fait, au début, j'avais l'habitude de payer mes produits au marché plus précisément au grand marché. Parce qu'en ce moment, il n'y avait pas trop de make-up, il n'y avait pas beaucoup de produits de maquillage. Certes, on voyait les produits sur le net, mais il n'y avait pas les produits ici au Niger. Mhm. Mais après, avec l'ouverture d'autres boutiques, nous avons remarqué qu'il y avait des produits genre comme MAC, Sephora, mhm. euh, Fit Me, Là, nous avons commencé à payer les produits dans les boutiques parce qu'il y a une très grande différence entre les produits du marché et les produits qu'on amène dans les boutiques. Généralement, les produits du marché, ils, prennent des produits qui genre je dirais qui ne sont pas de la bonne qualité. Mais dans les boutiques comme, euh, si, je peux le, si je peux le dire, euh, Chic Store, avant, je payais mes produits à Chic. À Chic Store, ils amenaient des produits des États-Unis. Donc, la plupart des produits étaient fiables mhm. pour un bon make-up, mhm. contrairement aux produits du marché. D'accord. Et donc, euh, par mois, disons, ou bien par trimestre, vous pouvez dépenser combien, par exemple, euh, dans les produits de cosmétiques Dans les produits de cosmétiques, en fait, ça dépend. Dans le mois, s'il y a beaucoup de, de cérémonies, je dirais, on fait le maquillage souvent pour les cérémonies je peux dire qu'on peut dépenser un truc de 100 voire 150 000 pour les produits de maquillage. Parce que pour un seul week-end, on peut maquiller jusqu'à 25 à 30 personnes. Mhm. On sera obligé de faire un ravitaillement après parce que la plupart des produits sont finis lors des maquillages. Mhm. Et donc, euh, vous, vous gagnez euh, bien pendant ces périodes-là Oui, alhamdulillah, on gagne bien pendant ces périodes. Ok. Pour revenir euh, à votre travail, depuis quand est-ce que vous avez commencé ce métier Je peux dire que j'ai commencé ce métier. J'avais l'âge de 16 ans lorsque j'ai commencé à le faire avec mes amis. Mm-hmm. Mais concrètement, j'ai commencé à le faire à tout le monde J'étais en première année. Donc, faites euh, nous le calcul. <laughs> je dirais que ça fait un truc de trois ans maintenant. Voilà, que vous êtes officiellement. Ok. Donc, euh, Leila dit dites-nous, vous êtes euh, esthéticienne. Est-ce que vous-même, vous faites le maquillage Vous vous maquillez Oui, je me maquille, mais en fait, je dirais très rarement. Je me maquille à des occasions, soit pour un anniversaire, un mariage ou un baptême. Mais en fait, je n'aime pas trop me maquiller. Mais j'adore maquiller les gens. Et c'est lequel que vous faites parmi les trois que vous avez cités Je fais un maquillage simple. Je me fais moi-même un maquillage simple. D'accord. Donc euh, maintenant, le maquillage est fait et tout. Euh, comment fait-on pour euh, se démaquiller Pour se démaquiller, il y a, comment dirais-je, un démaquillant liquide. Il y a aussi des lingettes pour se démaquiller, mhm. spécialement pour enlever le maquillage du visage. Et l'eau simplement L'eau peut enlever le maquillage, mais avec du savon. Mhm. D'accord. Est-ce que vous vous plaisez bien dans ce métier d'esthéticienne oui, maquilleuse Je me plais bien dans, dans ce métier d'esthétique de maquilleuse. Quels sont les avantages que cela vous a apporté En fait, je, si je veux le dire, euh, les avantages, au début je maquillais seulement, au début je maquillais, mais je ne m'améliorais pas dans le maquillage. Je regardais seulement sur le net, je maquillais, mais après, avec les clients, je maquillais, je corrigeais mes fautes et finalement, je vois que j'avance sans pour autant avoir fait une formation sur le maquillage. Comment est-ce pensez-vous que vous avancez Qu'est-ce qui vous dit que vous avancez sans pour autant suivre de, formation. Hmm. En fait, je compare mes maquillages d'avant et mes maquillages de maintenant. C'est n'est mhm. pas du tout la même chose. Et puis les clients, les clientes, elles apprécient mhm. et elles viennent de partout. D'accord. Et donc, dites-nous, votre chiffre d'affaires vous permet-il de subvenir à, à, vos besoins, aider votre famille, par exemple Oui, Dieu merci. Mon chiffre d'affaires me permet de subvenir à mes besoins, d'aider ma famille, vous êtes étudiante euh, en master, est-ce qu'on peut dire que c'est vous-même qui payez votre scolarité à travers ce, oui, Oui, c'est moi-même qui paye ma scolarité à travers ce job. Et initialement, vous disiez que vos parents n'aimaient pas euh, que vous faites euh, ce travail. Et actuellement, quel est leur avis, leur sentiment par rapport en fait, au début, mes parents n'aimaient pas que je, fasse cette activité parce que parce qu'ils se disaient que j'allais finir par abandonner les études. Maintenant, ça va parce qu'ils voient que je gagne là-dedans. J'arrive à faire beaucoup de trucs sans pour autant demander à papa et à maman, à mhm. payer aussi ma scolarité. Et là, ils ne peuvent rien faire d'autre que m'encourager. Mhm. vous avez des sœurs qui veulent vous emboîter le pas ou... Oui, j'ai deux sœurs. L'une, elle maquille L'autre, elle fait le hini. Ce sont des jumelles. D'accord. Donc, euh, en gros, avez-vous des projets pour agrandir votre affaire ou bien euh, organiser des formations ou bien même euh, aller faire des études pour vous perfectionner Oui, on a ce projet-là. Si je peux le dire, j'ai ce projet-là. Je fais des formations ici pour d'autres jeunes filles mhm. et j'aimerais aussi suivre une formation pour plus m'améliorer dans le domaine. Comment est-ce qu'on peut euh, suivre euh, des formations au niveau de votre salon de beauté pour ceux qui sont intéressés hmm. En fait, elles prennent, euh, elles prennent rendez-vous, elles font une inscription pour la formation. La formation se, se fait généralement en deux semaines deux semaines, normalement, en deux semaines, la personne sera capable de se maquiller. Mais là aussi, si tu apprends le maquillage, il suffit, il suffit pas de, j'ai hâte d'attendre pour avoir une cérémonie pour te maquiller. Quand tu suis une formation, il faut l'appliquer à la lettre. Il faut faire beaucoup de pratiques pour pouvoir mieux maîtriser, comment dirais-je, la chose. Mhm. Donc, vous avez beaucoup de candidats Oui. Candidates euh, plutôt. <laughs> voilà. Dit-on que des maquilleuses euh, sillonneraient la ville à la recherche d'éventuelles clientes. Euh, est-ce que vous en avez eu écho dans la ville de Niamey qui a des femmes euh, de nationalité étrangère qui circulent dans la ville et qui proposent leurs services de maquillage euh, aux femmes. Non, je n'ai pas entendu parler. Eh bien, ça existe. <laughs> ok, donc euh, nous allons marquer une petite pause, le temps de poursuivre la suite de ce forum. À présent, parlons d'un autre aspect en vogue à Niamey, c'est le henné, son nom scientifique, euh, Lawsonia inermis. Le henné a aussi une connotation religieuse et s'utilisait depuis longtemps à des fins cosmétiques et ou médicales. Ces feuilles, une fois transformées en poudre, sont utilisées sur la peau en tatouage, notamment sur les mains de la jeune mariée. Mais de nos jours, le tatouage au henné est devenu une activité régénératrice de revenus pour les femmes particulièrement utilisées pour les cérémonies de mariage euh, ou de baptême, disons qu'il va de pair euh, avec le make-up. Donc Leila, vous êtes euh, esthéticienne, maquilleuse. Est-ce que vous en appliquez beaucoup dans votre salon de beauté le henné Oui. Oui, on, en applique beaucoup. Généralement, ce sont les femmes mariées, les jeunes mariées. Mais là, maintenant, il y a même les filles qui se donnent, qui veulent faire le henné pour assister à des mariages, à des cérémonies quels sont les genres de henné que, vous faites, qui existent chez vous Ok. On fait le henné noir, le henné rouge et le henné marron. Comment est-ce que ça s'applique euh, Je sais pas, c'est des trucs tout simples ou bien des. Non, ce sont des mélanges différents en fait. Mhm. Le henné noir, nous, le faisons avec du bigaine. C'est un produit qu'on achète au grand marché. Il suffit juste de mettre de l'eau là-dedans, et de l'appliquer sur, sur la peau. Pour le henné rouge, là, c'est le henné naturel que tout le monde connaît. Là aussi, il suffit de faire un mélange. C'est un mélange différent de l'autre henné. Mhm. C'est un mélange avec du mahalabia, du coranfol et autres. Là aussi, on l'applique sur la peau, mais là, il faut que ça dure sur la personne. Il faut que ça fasse au moins un truc de 3 heures à 4 heures de temps pour pouvoir tenir. Contrairement au henné marron, là aussi, c'est presque le, les mêmes mélanges avec le henné rouge. Mais à la seule différence, il faut qu'on le mette dans, un canari avec de la fumée pour que ça puisse ressortir sur, la peau. Et c'est lequel qui est plus euh, apprécié des femmes avant, c'était le henné noir, mais maintenant, la plupart, elles aiment le henné rouge. Mais je dirais que le henné rouge, c'est pas pour c'est pas pour toutes les femmes, quoi. Genre, quand tu es de teint clair, tu fais le henné rouge, ça sera joli et ça sera remarquable. Mm-hmm. Mais quand tu es de teint noir, tu fais le henné rouge, là, ça va pas du tout, ça colle pas. Et donc, c'est quoi le coût de ces henné En fait, il n'y a pas une très grande différence. Euh, je dirais que le henné noir, nous le faisons entre 5 000 et 20 000. Mhm. Le henné rouge, l'ensemble, nous le faisons à 35 000. Le henné marron, l'ensemble, nous le faisons entre 15 000 et 20 000. Et ça, c'est sur place ou bien à domicile C'est sur place vous ne faites pas de henné à domicile Le henné, on fait le henné noir seulement à domicile parce que mhm. pour le henné rouge, là, il faut au salon, ça prend du temps. Mhm. Pour le henné marron aussi, il faut au, salon parce qu'on le met dans le canari avec de la fumée. Et comment ça se fait avec euh, la fumée Là, et quand vous finissez d'appliquer la pâte, de faire le dessin plutôt, lorsque c'est sec, vous lavez, vous appliquez du vinaigre sur les mains ou sur les pieds, sur les parties où vous avez fait le henné. Mm-hmm. vous, prenez votre canari, vous mettez, du, comment du charbon que vous avez allumé déjà, des braises, vous mettez du sucre là-dedans, du, du, sucre. ou bien, je dirais, de l'encens. Mm-hmm vous mettez les mains ou les pieds dans le canari. C'est à travers, comment dirais c'est grâce à cette fumée que le henné ressort sur la peau. Mais comment mettre les pieds et les mains dans le canari sans se brûler En fait, euh, il suffit d'utiliser un canari, un grand canari. Les canaris d'eau Oui. Il suffit d'utiliser les grands canaris. Mm-hmm. Expliquez-nous parce qu'il faut qu'on visualise un peu comment ça se fait. Ok, vous mettez les mains. En fait, le comment dirais-je même Les braises qu'on a mis, ils sont en bas. Mhm. en bas au fond du canari. Donc, ça sera impossible que vos mains atteignent le feu. Vous-même, vous sentez la chaleur, vous ne pouvez pas avancer vos mains au niveau du feu. Ok, d'accord. Donc, euh, autre aspect de, de, pour être belle, euh, le, l'attaché de, de, foulard. de, foulard. Voilà. Ça aussi, euh, on le fait chez vous. Oui. Est-ce que c'est toutes les femmes qui viennent qui le font ou pas Oui, généralement, c'est toutes les femmes qui le font. Les jeunes filles le font, les femmes mariées. Est-ce que ce foulard-là est permanent ou bien ça se défait comme ça Il y a un foulard permanent, il y a un foulard euh, qui se défait. Ça dépend du Comment les appelle Ils euh, ont un nom non, je, non ils n'ont pas de nom spécifique, mais je peux dire que là, on peut parler de Ashoki. Ça vient, c'est originaire d'où ça C'est originaire du Nigeria. <laughs> D'accord, et qu'on a adopté ici Ici au Niger, oui. Et ça aussi, vous n'avez pas suivi de formation Non, non, je l'ai appris sur le net. D'accord. Et donc, euh, avant de continuer, euh, chers auditeurs, je vous propose euh, de suivre l'avis de ces messieurs et les femmes que nous avons recueillies ici à Niamey s'agissant du maquillage et du henné. Le make-up, pour moi, c'est une bonne chose parce que déjà, ça permet à la femme de se rendre belle pour son mari. Et deuxièmement, même les hommes font du make-up. Par exemple, nous, dans notre cas, dans les tournages de clips vidéo, on fait des make-up ou bien pour les films. Donc, euh, make-up, c'est une bonne chose pour moi. Et pourquoi est-ce qu'on fait le make-up pour les acteurs Le make-up, on le fait pour les rendre plus photogéniques dans les clips ou bien dans les films. Voilà, c'est pour ça on les fait du make-up pour enlever les taches de boutons ou bien pour enlever les imperfections qu'il y a sur leur visage. Et par rapport au henné Bon, ça, <laughs> je ne suis pas un grand amateur de ça, mais quand même, de vue, ça me plaît. Voilà, mais quand la personne exagère, j'aime pas trop. Pour moi, j'aime que la femme fait ça légèrement, mais se tacher de ça partout, je vois pas trop son intérêt. <laughs> Effectivement, hein, le make-up euh, fait tendance de nos jours. Les femmes et les filles euh, s'en donnent à cœur joie. Elles en font tellement trop qu'elles deviennent méconnaissables elles en font au point qu'elles deviennent vilaines ou c'est l'effet contraire, quoi. Elles deviennent beaucoup trop jolies par rapport à ce qu'elles sont en réalité. Donc l'un dans l'autre, pour moi, c'est une tromperie. Moi, j'irais pour un make-up plus simple, plus soft, qui ne me dénaturalise pas, que d'aller dans le make-up tel que ça se fait aujourd'hui, où tu vois la femme, tu la reconnais même pas et parfois tu sens même en fait le décalage entre le teint de la personne et son visage. Vraiment, les femmes, elles exagèrent dans le make-up. Et c'est vraiment une arnaque. Et je pense que beaucoup d'hommes sont en train de tomber dans le panneau. Personnellement, euh, c'est quelque chose que je fais pas. En fait, je sais même pas le faire et je vais pas apprendre à le faire. Un truc simple où on te reconnaît quand même, tu le fais. Ton make-up, c'est pour, voilà, on va dire arranger quelques imperfections et bon. Mais de là à complètement déformer la personne, non franchement. Par rapport au maquillage, franchement, c'est quelque chose que moi, j'aime pas personnellement parce que je préfère euh, la femme naturelle telle qu'elle est. Donc euh, les make-up, je suis pas dedans. Mais le henné, bien sûr, euh, j'adore le henné, mais quand la femme est claire. Mais si tu es noir et tu mets le truc henné noir, ça ne donne pas de sens, honnêtement. Il y a le henné qui n'est pas noir, qui tire un peu vers le rouge aussi. Bon, j'ai jamais vu ça, honnêtement. Mais si le henné est rouge et que la peau est noire, ça ne colle pas du tout, honnêtement. Mais si tu as du teint, une blanche comme ça, ou bien un peu, tu mets du henné noir, ça embellit un peu la peau. J'aime les femmes naturelles, en fait. Voilà, vous venez là d'entendre euh, ces deux messieurs euh, donnant leur avis sur le maquillage euh, et le henné. Donc, Leïla, est-ce que vous avez quelque chose euh, à ajouter pour celles qui veulent s'investir euh, dans le domaine euh, Est-ce que vous avez quelque chose à leur dire Les jeunes filles qui veulent vous, emboîter le pas Un conseil Ok. le conseil que je peux dire ou ce que je peux proposer, si je peux le dire, c'est de se donner à une activité. Il ne suffit pas de faire des études, d'attendre d'avoir un bureau pour travailler. Il y a beaucoup d'activités qu'on peut faire, généralement les femmes. Soit l'esthétique, la couture. Je sais pas trop. Il y a beaucoup de choses que les jeunes filles peuvent faire au lieu de rester à la maison, dire que non, il faut l'école seulement. Certes, l'école c'est bon. Il faut aller à l'école, il faut étudier, il faut étudier, il faut être instruite, mais il faut avoir aussi une activité génératrice de revenus. Soit la couture, le make-up, le henné, les tresses. D'accord. Autre phénomène de société, c'est aussi la dépigmentation de la peau par l'utilisation des produits cosmétiques éclaircissants. Selon l'Organisation mondiale de la santé, c'est une pratique qui est constatée chez les populations d'Afrique subsaharienne et d'Asie. Ils sont aussi employés par les habitants à peau sombre d'Europe et d'Amérique du Nord, aussi bien chez les femmes que certains hommes. En 2011, l'OMS rapporte qu'au Mali, au Nigeria, au Sénégal, en Afrique du Sud et au Togo, on enregistre respectivement 25, 77, 27, 35 et 59 des femmes qui utilisent euh, de manière régulière des produits éclaircissants pour la peau. Pour le Niger, euh, nous ne disposons pas encore de données par rapport à l'utilisation de ces produits éclaircissants. Quel pourrait être euh, l'impact de ces produits sur la peau Réponse avec Kachala Abagana, technicien supérieur en dermatologie, vénérologie. Les produits cosmétiques ou bien les produits dont vous dites que pour se blanchir, ce n'est rien que des produits dépigmentants. Et d'abord, même, on peut un peu parler même de l'historique de ces produits dépigmentants-là. Ça a pris sa source dans les communautés négro-africaines qui vivaient en Europe et aux États-Unis. Et donc, ça s'est répercuté dans notre continent en Afrique dans les années 85. Et au Niger, en tout cas, cet événement-là, nous l'avons connu autour des années 1985, où les femmes et même les hommes il commence à appliquer ces produits. En tout cas, il continue pour s'éclaircir, pour devenir clair. Et pour euh, les produits de pigmentants, là, on peut les catégoriser sous quatre formes. Donc, il y a ce qu'on appelle les dermocorticoïdes, il y a ce qu'on appelle euh, les hydroquinones, donc il y a aussi les mercures et aussi euh, les dérivés caustiques. Donc, ces quatre produits-là, c'est ça que les femmes et les hommes utilisent en tout cas pour éclaircir la peau. Donc ces produits-là agissent <clears throat> dans le système de fonctionnement de l'organisme, soit pour bloquer la production de la mélanine, cette coloration noire-là qui euh, qui, qui représente notre peau, qui nous protège en tout cas contre beaucoup de choses, que ce soit les infections bactériennes, que ce soit aussi même pour les rayonnements ultraviolets. Donc en faisant partir cette mélanine ou en bloquant sa, sa formation, donc on expose notre organisme à plusieurs dangers. Donc, euh, par exemple, en utilisant à long terme ces produits dépigmentants-là, non seulement ça diminue l'épaisseur de la peau, comme on dit une atrophie cutanée en termes scientifiques, donc qui va exposer notre euh, peau contre certaines agressions et même euh, contre beaucoup des affections, dont entre autres, par exemple, par rapport aux affections cutanées, on peut avoir ce qu'on appelle des infections bactériennes à type euh, d'ectima, à type d'impétigo, ou bien un type de folliculite qu'on peut en apercevoir, mais aussi... Le terme clair, comment expliquer les expressions là, folliculite et autres, pour que les gens comprennent Pour que les gens comprennent, les folliculites, euh, l'ectima, ou bien ce sont des plaies qui sont souvent des inflammations que vous allez voir douloureuses un peu partout que vous allez voir. Et aussi sur le visage, il y a ce qu'on appelle euh, l'acné, un développement en tout cas profit des, boutons, comme on dit communément appelé que vous allez voir, en tout cas qui n'est pas joli à voir chez certaines femmes. Mais aussi, euh, on peut avoir ce qu'on appelle le cancer de la peau. Ça, c'est une conséquence vraiment qui est à long terme souvent qu'on peut en avoir. Mais aussi sur le plan même du point de vue systémique, on peut avoir par exemple une insuffisance rénale quand on utilise en tout cas ce produit à des de long terme on peut avoir une insuffisance surrénalienne qui peut en tout cas conduire à ce qu'on appelle le diabète ou bien à une hypertension même artérielle. Donc euh, ça peut même induire ce qu'on appelle l'ulcère gastro-duodénal. Et sur le plan socio-économique, vous n'êtes pas sans savoir que vraiment c'est une fuite de capitaux. Les gens utilisent en tout cas de l'argent pour payer ces produits. C'est une fuite de capitaux. Il y a vraiment un nombre important d'argent que les gens injectent dans dans ce, dans dépigmentant-là pour s'embellir ou bien pour s'éclaircir. Donc euh, la dépigmentation en termes euh, vraiment pour nous, en tout cas des dermatologues, on peut dire que vraiment c'est un feu qui brûle, en tout cas à petit feu. Donc ça veut dire que plus les gens utilisent ces produits, plus ils s'exposent à des dangers qui seront en tout cas même souvent mortels chez certains individus. Par rapport aux différents types euh, de produits que vous venez de citer, les corticoïdes et les hydroquinones et autres, selon vous, c'est lesquels qui sont les plus utilisés par les femmes Donc euh, dans le contexte de notre pays, donc c'est les dermocorticoïdes qui sont beaucoup plus utilisé chez nous est l'hydroquinone. Donc il y en a pêle-mêle sur le marché. Les gens s'en procurent, en tout cas, ils utilisent abusivement, en tout cas, sans aucune notion. Voilà. Ils se présentent euh, sous quelle forme ces produits Ces produits-là donc peuvent se présenter sous forme de pommades ils peuvent se présenter sous forme de crème et ils peuvent même se présenter sous forme de comprimés que les gens en prennent aussi. Et même euh, <clears throat> tout récemment là, on avait même euh, appris qu'il y, a même la forme injectable que les gens font en perfusion. Et par rapport euh, aux comprimés, paraît-il qu'il y a des produits que les gens prennent pour des, des maladies, mais dont les effets secondaires peut éclaircir euh, la peau, est-ce que ces produits-là, les femmes euh, s'en procurent aussi dans les pharmacies pour se blanchir Bon, en tout cas, si c'est indiqué, si c'est une prescription médicale, en tout cas, c'est pour un temps bien déterminé. Il n'est pas conseillé aux gens d'aller s'en procurer, en tout cas, pour se blanchir la peau. En tout cas, en termes médicaux, vraiment, c'est un délai bien précis et même l'utilisation, en tout cas, il y a des conditions qu'il faut suivre et aussi euh, il y a un système même de sévrage qu'il faut installer pour l'utilisation de ces produits. Mais souvent, il y a des femmes qui partent, ils se procurent en tout cas sans aucune notion, dans l'ignorance, Elles prennent n'importe comment ces produits et souvent ils peuvent même faire des arrêts brusques, en tout cas qui peuvent les coûter beaucoup plus cher. Et par rapport aux cosmétiques qu'elles utilisent pour euh, se maquiller, hormis le, blanchiment de peau, les fonds de teint, les poudres euh, et autres, est-ce que ça a un impact euh, sur la peau oui, par exemple, certains produits, en tout cas, que les gens utilisent pour se maquiller, vraiment, vous pouvez prendre des conseils chez certains médecins dermatologues. En tout cas, on peut préconiser certains produits à usage, en tout cas courant, ou bien les poudres dont vous avez vu. En tout cas, il y peut y avoir certaines réactions allergiques parce que ce n'est pas tous les organismes qui peuvent ne pas réagir à ces produits. Il peut y avoir des réactions de la peau, en tout cas, qui peuvent se manifester par ce qu'on appelle un examen de contact au cas où euh, il y a des éruptions cutanées autres sur la peau, comment est-ce que la personne euh, peut se soigner Donc, euh, en cas des éruptions cutanées, en tout cas, je renvoie le concerné ou la concernée dans un centre de prise en charge. Par exemple, au niveau du centre dermatolèbre, il y en a plein de médecins et de techniciens supérieurs peut-être à l'hôpital national aussi. En tout cas, l'idéal serait de mieux consulter un médecin dermatologue qui sont en tout cas disponibles, en tout cas en Et qu'en est-il euh, du henné que les femmes appliquent euh, sur la peau, le henné pas naturel, mais le henné euh, synthétique, si je peux le dire, qui provoque parfois des allergies sur la peau Bon, quant au henné, donc c'est comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est une réaction. Donc, il y a des organismes qui ne tolèrent pas ce produit dès qu'on met il y a une réaction. L'organisme réagit donc euh, en provoquant certaines ulcérations ou bien des vésicules qui vont apparaître, je le disais tout à l'heure, c'est l'examen de contact allergique. Mais sinon, en tout cas, ce n'est pas toutes les femmes qui développent ça, mais c'est rarement certaines femmes qui peuvent développer cette réaction pour globaliser par rapport à l'entretien euh, de la peau, selon le type de peau, comment doit-on entretenir sa peau par rapport à l'entretien de la peau, en tout cas, il existe euh, beaucoup de produits qui sont en tout cas dociles sans, sans, danger pour la peau. Vous pouvez prendre attache avec euh, les concernés, ceux qui ont fait la cosmétologie ou bien des médecins dermatologues. Ils peuvent vous conseiller par rapport à ça. Il y a plein de produits qui n'ont pas des sur la peau. Vous pouvez utiliser et garder votre teint naturel propre. Un conseil par rapport euh, aux utilisatrices de ces cosmétiques éclaircissants donc, euh, le conseil que je vais donner aux utilisatrices de ces produits dépigmentants, vraiment, c'est d'abandonner ou bien de ne pas utiliser ces produits parce qu'ils sont là en train d'exposer leur, leur peau et même leur organisme à des dangers, souvent qui peuvent être systémiques ou bien qui peuvent être euh, cutanés en tout cas soit à long terme ou à court terme, en tout cas qui peuvent les provoquer des dommages et aussi à l'endroit même euh, de l'État, si en tout cas il peut euh, empêcher ou bien l'importation et la vente même de ces produits cosmétiques, ou bien les tapages qu'on fait sur les médias aussi, s'il y a lieu en tout cas vraiment par rapport à ces produits cosmétiques-là, soit de les supprimer, en tout cas il y a des tapages que les gens font pour la vente de ces produits. En tout cas, j'aimerais personnellement à ce que ce tapage-là s'arrête et que l'État prenne des mesures par rapport à cela. votre, propre avis par rapport euh, au maquillage que j'appelle entre guillemets make-up, quel est votre avis par rapport à cela Le maquillage, bon, le maquillage, euh, c'est-à-dire euh, si ce n'est pas dans le, sens de modifier la peau, si c'est maintenir le teint normal et de donner vraiment plus d'esthétique à la peau, c'est bon. Mais si c'est pour se maquiller, pour aller dépigmenter, aller même modifier complètement la peau, vraiment je suis contre cela, madame. C'est ici que prend fin le rendez-vous du forum de ce soir qui était consacré à la beauté par les produits cosmétiques et le henné, l'art de la transformation. Pour parler de la thématique, nous étions en compagnie de Leila Ibrahim Kakale qui est esthéticienne et maquilleuse, aussi étudiante en master euh, logistique et transport à l'ESCAE, qui nous a édifié sur son activité de maquilleuse qu'elle concilie avec euh, ses études. Et selon notre invité, ce métier est une activité qui rapporte bien et euh, on y gagne bien sa vie. D'une part, on peut retenir de ce sujet que les femmes se maquillent beaucoup plus pour les cérémonies pour se rendre belles ou cacher leurs imperfections. Cependant, il a un coût. D'autre part, l'utilisation des produits éclaircissants reste une pratique à risque pour les utilisateurs, même s'ils sont commercialisés à moindre coût sur nos marchés. L'un dans l'autre, beaucoup préfèrent encore le teint de la peau naturelle. Merci, chers euh, auditeurs, d'être restés à notre compagnie. Rendez-vous demain pour une autre thématique du forum de studio Kalangu. Au revoir.